fono tabo wo gaban hamdin gaba bore maza da ban kulmatun ga kai ga hauda dabuwar gaba bore maza da wallahi kale da na haudan haudan yan wa musikal dai jenai Bonsoir et bienvenue sur votre émission Tous à la Fada, une émission consacrée au quotidien de la jeunesse nigérienne. rien. Oh Tous à la Fada, une production du studio Kalangu, relayée par ses différents partenaires médias repartis dans les quatre coins du Niger. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21 février 2021. C'est le jour J, Today Not Today. Il est là, le grand événement tant attendu par les Nigériens. Il s'agit bien sûr du jour de vote pour le second tour des élections présidentielles. Plus de 7 millions d'électeurs choisissent aujourd'hui entre Bazoum Mohamed, le candidat du pouvoir qui a obtenu 39,30% des voix au premier tour, et Mahaman Ousmane, le candidat de l'opposition qui a recueilli 16,98% des voix. Un tournant historique pour notre pays, car c'est la première fois qu'un président démocratiquement élu passera le flambeau à être notre président que les Nigériens auront eux-mêmes choisis à l'issue de l'exercice du vote. Émission spéciale et donc dispositif spécial sur tout ça la fada. Rabbi de tous les jours. Ma binôme avait commencé le travail hier en ce qui concerne la mobilisation des jeunes pour ce vote. En effet, lors des campagnes pour cette présidentielle, nous avons eu à suivre et à mesurer l'impact de l'engagement des jeunes. Ce n'est pas le président Alioune qui va me contredire. On lui a tendu le micro, il a fait le recap sur une de nos émissions. Président, nous te souhaitons la bienvenue. Un président jeune, je peux le tutoyer. Président, comment tu vas Car cette année, plus que jamais, la jeunesse nigérienne s'est fortement mobilisée politiquement par là, n'est-ce pas, mon président Pour le vote du deuxième tour, la jeunesse jouera sans doute un rôle majeur et pour cause, la Commission électorale nationale indépendante s'estime estime que près de deux votants sur trois sont des jeunes. Les jeunes votent, c'est certain. Mais pour quelle aspiration quelles sont leurs craintes, leur espoir quant à l'issue de ces élections Nous discuterons de tout cela avec eux autour de la grande question du jour. Les attentes des jeunes avec le futur président du Niger. Président, nous sommes situés où Puisque la question traite de la jeunesse nigérienne. Dondi, bienvenue chez toi chez moi. Au siège du Conseil Donc je peux tranquillement dire ici, je suis chez moi. Je suis vraiment chez moi. Les femmes que je vois, les enfants que je vois m'appellent leurs frères d'autres leurs maris Le truc que tu vois, t'as été préparé. <laughs> et on a On ne nous a pas donné eh, comment ce qu'on appelle le marché du thé quand même. Président, nous sommes au siège national du Conseil national de la jeunesse. Le siège situé où À la francophonie, petite Village porte. de la francophonie, petite porte. D'un fourne de petite porte. Premier vent, deuxième vent. Combien Kambouaga Nigdi coiffeur fou. faire on ko tout droit quand même dit jingare fou. Jingara placo bono, num kuwin kamuaroga. Windi fo yinka inzanta. Afo windi fo on kangiri no zan kanu nigdi barbele fongabo. Ma bisaga kain fo frundora. Placo bono, Conseil national de la jeunesse. Bien Fourtaye, Nous discuterons donc de tout cela. Tout ça, la fada, c'est une émission qui se passe à la FADA, autour du thé, et nous avons 35 minutes chrono à gérer avec nos chers invités et auditeurs. On va discuter, on aura la réaction des auditeurs. Nous aurons aussi la réaction de cette jeunesse qui est active, qui est avec nous, qui s'est fortement mobilisée pour cette émission spéciale. La jeunesse est avec nous ce soir. et... bien sûr, à la fin de tout cela, nous aurons Olivier qui viendra pour apporter les points croustillants sur les jeunes à travers la chronique hebdomadaire de la FADA. Sur ce, on est parti pour la première partie de l'émission. Les attentes des jeunes avec le futur président du Niger. Voilà la thématique de ce numéro de l'émission Tous à la Fada. Dine Tous à la Fada, Invité no gondonge kambusane invitez Invité ora gonda misali ga futa bora. Niger talato me ame. Président Alioune avons un en ce qui concerne l'émission tout à la Fada. On kunbindir ne sandi bero comme jeune n'a concerné. fuma Misali ga Conseil national de la jeunesse. Président ergo gun une émission bon. ergir ko sabu. Nous ko sabu dandi. Inda jeune femme mono isina kala kofi kofi ewe eh bay. donc ka boro wo deja iga ba irne recevoir bo soro bo be mission go oh, bon dirne ko fi de kete ko fi famandir se no goyo kan non go te jeune maga to lalle don de sabun se de burnya kan terse abe dirga gumo hmm. ko o oh, borno kan la kollo do hara tito won cewyangonate to wadi bandmo songa sikala euh, agogdi ag, ag, fulcare si takan se gine cadre cadre o ga gwe de democratie de labuwam za da cinira asan ni gine ne ma fa kan ay gicin se fa da sa cine asan mai kati asan asan dai ayo katir ma arundu suma wani president wono misali ga joinde wani banda irgon da furta jankan kuna gogir dum emission go bon les deux candidats restants pour cette élection présidentielle ont plus de 60 ans. On ne peut donc pas dire qu'ils sont jeunes. Est-ce un handicap pour vous les jeunes, sachant qu'on parle souvent de conflits de génération au Niger, car les jeunes et les plus âgés ne se comprennent pas souvent, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse. La question vous est destinée. Écoutez, je vais répondre aisément à cette question, puisque une étude a été menée au Niger mhm. qui démontre que les jeunes sont trop pressés. Et de l'autre côté, les jeunes disent qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés par les aînés. Donc pour pallier à tout ça, depuis plus de 4 ans, nous nous sommes euh, engagés à mobiliser l'ensemble de la jeunesse nigérienne pour s'intéresser à la politique. Zamir faham euh, gahambano bafuna amu bori dole no borom siyasa te zama sare ne boku kam siyasa te siyasa sa nan banda ko woni se furta ji fur siyasa ragumo kon kon sa kan bora kulte niger labora bor kul mon beki di jir kara niger furta ji fur siyasa ra kato haran jiro sappa kan bisa hunkuna irga sa baran zama hunkuna sappa zairi no irga sa mo zama aran nirno dam hal nan kan na irko ir sappa ir jina zam du burma sappa niska gor fadara me donc burku kan go hangal se hunkuna daman sappa am ko ing sappa te jina hala ko gor fadara misali ga 745 kairane kan aga ba boram som borka aga mo kan daru lab ko tara lakal kan ye kala bora daru lab ko tara furta je gudu goy daru labu ko tara ir labo woy borayze igudu ko koy lokol igudu ko koy lokol kangana im starki hijen ki furkandi irgi mil kan bora kan gudu hino hunkuna

président ono ñamay wo oh, isbamu irgo koy son isbagal kawye kawye kawye kawye kul kango ni jerora radio partenaire no go studio kalangusi woyta cindi do wala woyta cindi do irgo ko aga des kwara go ko ga hangan jeunesse ni gondar se émission go bon anise karim nga no na jeune no fondi misal irma hanganir se reg sanno no kofi se fi mm. ha goyda sanni kare se no dinar mo sanni sbore Concernant mes attentes, euh, une fois le président élu, je souhaiterais à ce que le problème euh, qui se vit actuellement dans la vie réelle, si vous prenez le cas des jeunes filles qui prennent euh, des produits stupéfiants, plus précisément ici dans la région d'Agadez, nous voulons à ce que cela soit pris en compte. Il y a encore le volet scolaire des jeunes filles qui sont diplômées, aller jusqu'à l'université, qui ont sorti avec leur licence et leur master qui se trouvent euh, dans le chômage. Sur ce, nous souhaiterons à ce que le président qui sera élu prenne des dispositions pour que ces jeunes filles soient intégrées. Moi, ce que j'attends des futurs président, c'est de revoir des cas de la femme en général et particulièrement la jeune fille. Aujourd'hui, surtout on parle à Agathe, les jeunes filles prennent de la drogue parce qu'elles sont là, elles font rien. Donc on veut que le président et prendre en compte ces problèmes de jeunes filles. Et aussi, il y a beaucoup de jeunes filles diplômées qui n'ont pas d'emploi si les présidents peut les aider à avoir un emploi. Il y a deux sociétés qui ont été formées de définitivement, ce qui fait que le taux de chômage dans la région de Grèce est augmenté, s'il faut le dire. Plus de 50% de jeunes maintenant sont au chômage. Maintenant, si vous prenez la route de Kawa, Bilma, la plupart des bandits armés sur la route là, ce sont des jeunes parce qu'ils n'ont pas d'emploi. La seule solution pour eux, c'est de prendre des armes. Si on peut aider ces jeunes là, au moins avoir des centres de formation, les appuyer, ils vont créer quelques, entreprises pour eux-mêmes et aussi pour aider d'autres jeunes aussi, s'il faut le dire. Nous, notre problème, c'est la route RTA qui est impraticable. On voudrait une fois le président élu qu'il arrange cette route. Mais aussi, on a un problème d'eau à Gades. Comme vous le savez, toutes les années, on souffre de problèmes d'eau, surtout en période de grande chaleur. On aimerait que le président revoie ça pour qu'on trouve des solutions. Il y a aussi les jeunes qui chôment, trop de chômage, qu'on trouve aussi des travail pour les jeunes, qu'ils nous nous ouvre les sites de Jadot. Qu'il renforce la sécurité, avoir une solution par rapport à cette insécurité. Et à part ça aussi, vraiment la cohésion sociale. C'est ça même qui fait l'union. Et ça, la cohésion sociale, ça ne marche pas. Sur le plan institutionnel aussi, et vraiment, il y a des corrections aussi à faire à cette partie-là. Nous, on veut que vraiment, quand on amène une personne, qu'il travaille. Ok. Ok, merci Dieu Ça, vous ne savez pas. Je les ai écoutés iboba kulkende tabla la han sanno so mais songo wo kegne jo ka il faudrait qu'ils se mettent à l'œuvre pour travailler et faire l'épanouissement de cette jeunesse là parce que ay wok tin se zari hine gane di sambu population ko kanan wa bon kanan yidu akulu furta jenno et furta dit on a des attentes extrêmement euh, importantes notamment le problème de, de, de l'emploi eh, insécurité bobaw kan kan gogte labora futere lalaw kan gogte go e jangenu de de de furte je di gon goy ay e bay e kan bo goy ne va pas laisser son travail et s'adonner à des pratiques malsaines président ko kan se sa no passé da du no nan adu il doit les prendre à cœur il doit travailler sans relâche pour le bonheur et l'épanouissement de la jeunesse. Kofi Alaim Kajina, maintenant que mission Hassan, président communal, Nyamekat, Hassan Matgaham, tout se passe bien. Nous nous croyons Boguara Hassan, Irmorguno, Fondo Nmsalang, Honkuna, émission Hassan, dire son son, déjà nous causus il dit, il Irdi, Irma, jeune et sont de manière générale accès prioritaire, Kayangogo urgent, urgent pour le pays sur lequel le futur président doit se pencher au plus vite. Il faut nous remercier. Quand des jeunes concernés, wasu wasu agir funde faba. Aksintina. Aksintina asan. il y a un La kalkanai no katila bu arzaka irma chardi gate fo da baba fallon irma da lakalkanai sino o kan bore ki site chimno sanno non gon borsi irsi gor mai sha yo nukta gazu nisiba nisiba no o katare wo president wo kanga ka wadi ne inga tayo sintina ka kon sintina lakalkanai zan kai sigi chausa jora zanka si nyamai bore go chau me sa bore si gi oh la kalkane jangai ekol si gi ti okay bore diringa e village e ra gi yek kaga no dim wadin ga dir sambu la kalkana janga di jeune de na go ga kafana jene no me parce que ngai no si gi chau deja bore do ti je wo chau me to jeune ke mandu nge diplôme 2 ans ne a commune fo si gi e ko chio ne ga charam fa to kalmati point hin kanta point kinta ga tike wanda yango da lakkal kanate am imbore che wandi jenne imi che wandi imi che wandi amin no bere kanga tan tan be kaka point zanta point zanta gati gambano gambano im hagoy da ngamo bore gambano im hagoy da loktore im hagoy da loktor kwarei im hagoy da bore gambane ah. haya kulmu kubai dai en general to voilà aran ma dai matkancina asan na ci da L'artiste s'exprime tout de suite et maintenant, mesdames et messieurs, sur l'émission Tous à Fada, cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Cette semaine, nous nous sommes entretenus avec euh, un artiste, rappeur, comédien, acteur. On l'appelle Biman Aigoka. Le concept, Kalda Sam, homme et la vie, c'est Massa. Tout de suite et maintenant sur cette émission. Et tout de suite, la suite. Hey. Hey, ladies and gentlemen, here we go again with my nigga, Mr. Don D, in the studio Kalangu. Hey, you already know what it is. We're going to talk about aujourd'hui la vie. Hey, c'est massa. You already know what it is, home. Euh, de la musique à la comédie. Alors aujourd'hui, hey, la vie c'est massa. what, what I'm saying, you know that I have some money. <laughs> Everybody, you know that I have some money to do something this, uh, on this émission. Alors, on te souhaite la bienvenue une fois de plus. merci beaucoup, ça fait plaisir. La série, ça raconte, euh, tu es fait partie des acteurs qui nous font rire et qui nous émerveillent. Le concept t'as a ah. pris partout, à Niamey, au Niger. On parle que de ça, la vie c'est massa mais amekanda sam ok parlons de la vie massa la vie massa c'est quoi la vie massa c'est quoi la vie massa pour tout dire c'est une philosophie massa tout qu'on euh, fait c'est du hamburger ou c'est quoi tu as un peu raconté l'histoire raconte-moi l'histoire Bon, ah? j'explique un peu <laughs> eh, eh, eh, explique-moi le concept massa euh, voilà. Déjà, je vais te raconter un peu l'histoire. Raconte-moi l'histoire. rapide. Ok. Euh, J'ai un ami, euh, le Nick Romy Romeo. On a grandi ensemble, c'est mon voisin. Ok. Euh, si tu veux, on était genre vraiment dans, dans dans une galère. Quoi, ouais, la galère, ouais, bien sûr. La galère, tu vois, non La vie, c'est massa. Ouais, et, et, un jour, <laughs> et, un jour, et un jour est venu, genre, Ndinyama Sono, quoi, tu vois. Oh. Et c'est de là que l'idée est venue, la vie, c'est massa. Oh, Ndinyama Sono, agbarbarno quoi. Voilà. Nkunobonda, Subnisinda, quoi. En fait, c'est ça, en fait. La vie, elle est imprévisible. Tu sais jamais de, de, quoi il en est, quoi, tu okay, vois. ok. Aujourd'hui, t'es bien, demain, tu peux être mal. Aujourd'hui, t'es mal, demain, tu peux être bien. C'est ça le concept, la vie, c'est massa. Voilà. Donc, c'était devenu le mot de code entre lui et moi. La vie, c'est quoi La vie, c'est massa. Tu vois, ah, peu... Barbarno, en fait. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. Voilà. Okay. Donc, Ndinyama Sonak Barbarno, c'est de là qu'est venu le concept La vie, c'est Massa. Parle-moi de ta vie. Talk me de ta vie. Man. Euh, écoute, ouais, j'ai. Now I'm started. I'm going my own way, man. I'm trying slow, slow, slow, slowly, man. Step by step, man. Tout seul, my la vie, c'est Massa, you know what I'm saying? Voilà, donc euh, j'ai commercialisé les t-shirts comme tu le sais, et c'est à la demande des gens. Les gens ah, me demandent, voilà, les gens sont en train de me dire, mais attends, vous voulez les, les, t-shirts, tu me parles de la vie, Massa. Mais en dehors de ça, tu as aussi un concept, omé, omé, qui a pris aujourd'hui. Ok, beaucoup empruntent ce terme. Mhm. Eh ben, nous sommes à la fin de l'émission. Donc, il faut que Nima ces émissions au bon. Aujourd'hui, jour d'élection. Ça se passe entre deux candidats. Le président Bazoum Mohamed et le président Maman Ousmane. La jeunesse kiffe cette émission. Est-ce que tu as un mot à l'endroit de la jeunesse qui nous regarde, qui nous kiffe à travers le Niger et le monde. L'instant est solennel. Tu as une minute de temps d'antenne. temps. C'est bad comme il a dit, et Sam. Aujourd'hui, c'est le jour des élections. Allez-y, votez. C'est un droit civique. Donc, euh, choisissez celui que vous voulez. Faites ça dans, le calme, la tranquillité et la sérénité. Qu'Allah nous prenne celui qui est le plus bon. Je ne sais pas euh, comment, mais en tout cas, moi, je vais <laughs> voter pour celui que j'aurais choisi. Choisissez votre candidat, votez pour lui et faites ça sans zizanie. Fraternité, travail, progrès, fraternisons, travaillons, progression en ce jour. Sur ce, à l'instant T, c'était Bima Naigoka. La vie, c'est Massa. Amen, amen. Kanda. Alors, on se fait un maximum de bruit sur cette émission. La jeunesse est tout simplement chaude. Les attentes des jeunes avec le futur président du Niger. C'est le thème à discuter sur l'émission de Nous sommes avec le président du Conseil national de la jeunesse, Ali Oumarou, que je vous demande d'applaudir. Nous sommes aussi avec Kofi Dov. Kofi, il est acteur de la société civile. nous sommes avec Matou, ok d'accord, une fille très très engagée. Est-ce qu'on peut faire nous sommes avec Hassan, président de la commune 4, donc la jeunesse, que je vous demande d'applaudir ce Est-ce que la jeunesse est dans la place ce La jeunesse est tout simplement présente. La jeunesse a effectué des déplacement au maximum vers les bureaux de vote aujourd'hui pour élire le nouveau président de la République. Des dépouillements, oh, c'est dans un instant. On a coutume de dire que pour construire euh, ou reconstruire, il faudrait partir d'une difficulté première ou de ce qui n'a pas marché au départ. Alors Kofi, qu'est-ce qui a entravé une meilleure prise en compte de la problématique jeunesse précédemment et qu'est-ce que le futur président pourrait améliorer dans ce sens Kofi, nous t'écoutons. Bon, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais beaucoup reste encore à faire. Toi. Notamment euh, l'emploi des jeunes, l'employabilité des jeunes. Euh, il faut si une jeunesse eh, est bien prise en charge, d'abord il faut passer par l'éducation qui est. Donc la jeunesse n'est pas occupée. La jeunesse n'est pas occupée, c'est l'oisiveté. Combien boba au dit, tout ça là, c'est parce qu'on on aspire à un bien-être. Et l'État doit être euh, le moteur qui doit garantir ce bien-être là. Donc, je crois que notre aspiration aujourd'hui, c'est de trouver de l'emploi pour les jeunes. Nous sommes véritablement conscients que il faut créer les conditions pour que les jeunes qui veulent entreprendre qu'on crée un climat des affaires paisibles pour pouvoir les permettre d'entreprendre il faut que tu veux commencer à entreprendre on te dit de payer des impôts on te dit, il y a une paperasse énorme qu'on te dit de faire, ça décourage. Donc, il faut créer un climat euh, des affaires très serein pour permettre aux jeunes de pouvoir entreprendre. Ça, c'est un. Pose ah! Ntada. Kalda. Samo wallahi la fada sai shayi eh chef Abibou, ni ma dai matkai ni ci da president ba chayo mar sharan mana arno kandara shayi jine aran kandara shayi de ko bashir shirbin arno kandaran bande woné ga ané la bos ko digina président Alioune les attentes des jeunes des milieux urbains et des campagnes ne sont pas forcément les mêmes Comment faire dans ce cas et trouver la bonne formule pour que le futur président prenne en compte vos aspirations d'une manière globale, mon président, sans privilégier une jeunesse par rapport à une autre. cool Pat Amen. quand on prend la jeunesse nigérienne, 80% vit en milieu rural. Ah. Donc la majorité des jeunes ne sont pas ceux-là qui vivent euh, en centre urbain. Mhm. Et malheureusement, beaucoup de ces jeunes vivent d'agriculture, vivent l'élevage. Et on ne peut pas pratiquer l'élevage dans l'insécurité. Vous le savez très bien. Et même l'agriculture avec les conséquences des changements climatiques. Donc il va falloir que de la même façon où ces leaders politiques ont fait le tour des différentes localités du Niger pour promettre à ces populations rurales de changer leurs conditions de vie, qu'ils le fassent. Que nous qui sommes euh, en centre urbain, qui avons la chance de les côtoyer, qui avons la chance de les rencontrer de temps en temps, de les rappeler chaque fois leur engagement. C'est extrêmement important. Il va falloir que l'agriculture vivrière qu'on la dépasse. Il faut qu'au-delà des trois mois de saison de pluie, qu'on puisse développer les cultures de contre-saison pour permettre aux jeunes qui vivent en milieu rural d'y rester. Maintenant, pour les jeunes diplômés, il faut que nous changions de mentalité, que nous changions de comportement. La fonction publique, qu'elle soit du Niger ou des États-Unis, elle ne peut pas absorber tous les jeunes diplômés. Mais par ailleurs, l'État doit créer les conditions pour que d'abord, quand un concours est organisé, qu'il ne soit plus annulé, qu'un jeune qui veut entreprendre puisse être soutenu. Ah, eh, on ah, va le kiffer. nous sommes en 2000. 2001, mesdames et messieurs, sur l'émission, ils ont chanté, mais nous constatons la même réalité. On veut un changement. Wati a taboga. Eh, président Tojo. Erwogi ne ngware no mi yuzone kawai dulura. Erwogi ngware mi yuzone kawai dulura. Mirwogi gen ngware mi yuzone kawai dulura. Irmangan kaidan et tout de suite la suite. Hey. combattant tous les temps, omniprésent dans le combat, si la vie me lâche pas. Situation critique, tout va mal dans le pays, je le dis au président, le constat est pathétique. Le signe persiste, amer et amnésique. L'encre du style au cours de l'âme de gouverner. On n'est pas considéré, mais je sais qu'on est considérable. On n'est pas à consulter, mais tu sais qu'on est consultable. Vous nous minimisez, on n'est pas minimisable. On vous laisse nous gouverner, c'est pas parce qu'on est gouvernable. Où est le sens de l'équité quand on dit partage équitable On vous tend la charité et vous n'êtes même pas charitable. Gouvernant, gouverner, ici on est tous gouvernants. À l'instant testez donc Kaidan Gaskia, je ne réponds pas aux provocations. Sur l'émission Tout ça cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Wati tabo gabar Kaidan Gaskia à l'instant. J'ai né en 2000 mais misali ga 20 ans après yeka a a président yo se wati fo les attentes des jeunes avec le futur président du Niger. Le thème du jour est énoncé. Est-ce que vous pensez que le développement Missal la de Jinyango peut résider dans le fait de placer de nombreux jeunes à des postes stratégiques dans le prochain gouvernement imir no nungu aga bori me ine war gai ga banu bi na arnu nonga eska ga ngi ji irra bori ngon kan gai si banu yan ga ne de kan bor jare gai ga merit im goy de merit ni ga ba to bor gi hin ga te genera ima sambu im konda o oh. imano ig bay mo kan bor yango no kan dottijo ga bengay e bon sey e bore e ngon kan dottijo en dayno an no ni sando ga mi stenya fu bab non non non non im goy de bore kay go compétent bala burkim la bo ka way dulura ba mani gan go zur ya kina man bala bo mo teno man seno to donc im su de parti mi to za élection o bango président o kango ka kabore, kul wonno za opposition za majorité donc am goy de bore kan gonda diplôme de compétence kan go wote to a ci se e gollira gollira e gollira gonduɗo diplôme kanduɗo yaha nokkure <laughs> eh, nde amman diplôme oji français min tara nemde france kine keno fada noon wala ɗum eh, dollira gollira eh, way bi bongum cire kwaye fuleri ne gwanda sanni kan na gici na wal jono di kan goga kan modi ga dabu wallahi emission ara wando daram bara gwanda sanni ara mace da ara sin da mo rorgo ko jinfa sa mu ci gaba aran goni sen kar ngi ton tonno salla se ay ko bi me je ay je ne non ko ne mi so somo parole aux jeune nigin ma wati nor se jina ram ay ma yot sakina mun kayel jibbo sakina mun kayel jibbo bani ko bi sakina <laughs> sanno sakina argo hangani sanno kay bayim ton ton ti to je ne do hara to man ti bor mu gor fu yen wani go gor faada wat kunugo kuwa irga bayar mu fur politik ra irga ba imir sambu imir dan borno gin bonda matinga ino ka bar candi gane ka fur inga iwo wodi ka ka dai im noni se noru ya kina atayi noru koi vote aisi borno gutun ir jene ir no gutun ga mayar bondori girbo implique hayara ir mu fur di sirce ir mu fur da gabi dir fur sirgar inshallah president na ma da an kan ane aram bondande to irmo surge irgite bondo mo rego li bondo ba nergite irgite gam kal bora ba ngam sal a boro wayne ni sane to kande nyak fosina ni ma non cirse to madalla ay ma rabani hima do ma de matkan cala ni ci ay ma matkan an kida san sa hanara mo nan kida zama nongo son o jene dieu merci ibay hankan no ngai ba zamson i di kan vot i min no ko son i di kan labu labu mo guna surtout niger kan jene nogo majoritaire donc son jeune i faham i di kan eh, labu si kan son matakan président ki da no président eh, du conseil national de la jeunesse ibero donc a cikin jena ifuru siyasara ra <laughs> jena ifuru siyasara ra donc wadin changement gen gite ba iman bor eh, dan matakan ki da iman to kalimin kan ba digi dan ni bum bono go kai irgo kai irbon se jena gidi matakan no turi nyango irmu tado irmu kosir bon se dir ko ba mu agite

la chronique de l'émission Tous à la Fada. Amis auditeurs et auditrices de Tous à la Fada, bonsoir. Certes, la course à la digitalisation fait des jeunes Africains des acteurs importants dans la marche de leur nation. Ces jeunes sont courtisés par les politiques et les entreprises locales. Les plus visionnaires des politiques n'hésitent pas à donner aux jeunes des postes de responsabilité. Au Mali, on se souvient de la jeune Kamissa Kamara qui a occupé entre 2019 et 2020 un poste ministériel dans le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta mais de vrais défis sont imposés aux jeunes africains. D'abord en commençant par la formation. Peu d'écoles sur le continent proposent des formations sur le digital. La plupart de ces formations manquent d'adapter leur programme au contexte local. Ensuite, la commercialisation des services digitaux. Faute de connaissances digitales, peu d'employeurs évaluent le coût d'un service digital. Il est difficile à un jeune développeur digital de vendre ses services ou ses le manque de culture digitale des managers complique les acceptations des services. Il faut plus de temps pour construire cette confiance sur le digital. Enfin, la fiabilité des services de téléphonie reste un des défis énormes que les acteurs du digital, qu'ils soient jeunes ou pas, doivent surmonter. Eh bien, chers amis auditeurs et auditrices, si la technologie a devenu un enjeu politique, quels sont les secteurs qu'il faut digitaliser pour accélérer la croissance du Niger Les recherches continuent à mon niveau. On se dit la semaine prochaine dans une nouvelle chronique. Mais avant tout, je conclue cette chronique en ces termes. Dans le contexte nigérien, les préjugés liés aux problèmes de connexion découragent certains utilisateurs de services digitaux. Mais quand on est déterminé, les difficultés deviennent des épreuves à surmonter. Et comme le dirait Youssoufa, loin du soleil, rêvons d'être astronautes. Loin des meilleures connexions, travaillons pour offrir les meilleures connexions aux générations à venir. Bye bye, rendez-vous semaine prochaine pour des nouvelles chroniques. À l'instant, c'était donc euh, la chronique de l'émission Tous à la Fada. Cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. C'était donc euh, à la présentation Mr. Olivier. Nous sommes à la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Certes, nous sommes tous des jeunes, mais je suis sûr que notre attente diffère. Alors que chacun nous dise ses attentes envers le nouveau président de la République en une phrase, puisque nous sommes à la fin. Je commencerai par le président du Conseil national de la jeunesse. À tout honneur, tout seigneur, nous sommes dans les locaux du Conseil national de la jeunesse. Nous attendons du prochain président une éducation de qualité à tous les enfants du Niger, une paix et une sécurité durable, une justice sociale et surtout beaucoup d'emplois à cette brave jeunesse. Attends. Hassan, commune 4. Irgo hanganara saran. Wakan irgo batu président yoga. Ta. Igariti unité. Il faut unité wo diyen wo ti am goyde bore kul. Cool bore kulna ga goida da ka wadinga irko ba labo aga fatta wayi dullura halima ergo hangamisi nom du nouveau président qu'il soit équitable, qu'il nous garantisse la paix, l'éducation et la santé sur. Ah, to Kofi. So, wakirgo botu président Joga, c'est d'abord l'éducation. ah l'employabilité. Et tout cela ne peut se faire que dans un climat de paix, dans un climat de justice sociale et, de, de, quiétude. Donc nous attendons de lui qu'il soit un homme qui soit au-dessus de la mêlée, te dire que la campagne elle est finie, elle est terminée. Il est élu président de tous les Nigériens et il a le devoir de contribuer au bonheur de tous les Nigériens. Point. point ne meno machine de jeune gnaran 50 chabuyon to sukutuga de a est-ce que aran ginga ko bi aran bo simi be tabi tabi eh iro ir banfa kadde dir ko nir to ino sa to no dir kan sanni fogo to nan darando ay minaran se hey